le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le le forum forum du du studio studio Kalamkou Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalango. Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio studio a pour thème Fermeture et regroupement des écoles pour cause d'insécurité dans la région de Tilabéry, ampleur, impact et solutions alternatives. L'insécurité grandissante dans la région de Tilaberi a entraîné la fermeture d'au moins 350 écoles ces derniers mois dans cette localité proche de la frontière avec le Mali, nous apprend le site d'information Niamey et les déjours. L'information a été donnée à la suite de la visite effectuée dans cette région par le ministre de l'Éducation Daouda Mamadou Marti. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement, selon le ministre Daouda Mamadou Marté est à pied d'œuvre pour la réouverture des écoles. Tout de même, pour résoudre ce problème qui est préjudiciable à l'avenir des enfants, le ministre Marté a proposé le regroupement des écoles dans les centres sécurisés et même l'éventualité de la réouverture de certaines écoles où l'insécurité n'est pas trop marquée. Il faut dire que ces derniers mois, la région de Tilaberi a particulièrement été la victime des attaques terroristes perpétrés par des groupes armés. Des attaques qui ont fait euh, plus de 170 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité nigériennes. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre l'impact de l'insécurité sur l'éducation et la scolarisation des enfants et la proposition des solutions de sortie de crise. Pour ce faire, nous avons dans ce studio A Moukaila Halidou, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Moukaila Halidou, bonsoir. Bonsoir, monsieur et Inous Hassan Diori, membre de la coalition des ONG, syndicats et associations pour une éducation de qualité pour tous, EPT Inous Hassan Diori, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Nous avons également invité le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, écoutons d'abord le secrétaire général de l'Association des parents d'élèves euh, de la région de Tilaberi, ijibo Issa, au sujet de la situation de l'école dans cette partie du Niger. Je peux dire à la date d'aujourd'hui, la situation des écoles est un peu calme parce que il fut un moment où vraiment il y a eu, je peux dire, en tout cas c'est du caïn il y a eu la psychose, les gens étaient vraiment paniqués. Tous les enseignants qui sont dans le côté est-nord de la région de Tilaberi et le côté ouest encore, ouest-nord de la, euh, de la région de Tilaberi, ont tous descendu dans les autres villages où ils pensaient qu'il y a la sécurité. Ils ont abandonné les classes, ils sont revenus, mais après, il y a eu vraiment la panique où tous les gens même des villageois ont abandonné leur village pour venir dans les zones où ils pensent que vraiment il y a la sécurité. Mais à la date d'aujourd'hui, les autorités ont pris le train en main. je pense que petit à petit, l'incertitude qu'il y avait eu dans l'enseignement, cette incertitude-là va quitter les enseignants vont avoir la sérénité et ils vont regagner leurs écoles. Quel est l'état d'esprit des parents d'élèves de la région de Tilaberi, plus précisément des localités concernées par l'insécurité Vous savez, les parents d'élèves étaient vraiment affrontés à deux choses. On était confrontés plutôt à deux choses. Un, il y a les élèves dans les autres villages là qui, innocents, ne savent même pas ce qui se passe, c'est-à-dire les élèves de l'école primaire. Deux, il y a les enseignants qui tellement ils ont peur ils ne veulent même pas aller dans les villages. Parce que même quelques villages où il y a la sécurité, à cause de la psychose, à cause des gens qui racontaient dans les portables que des bandits sont venus dans tel village, ils ont incendié tel nombre de classes, ils ont saché, ils ont cherché tel nombre d'enseignants. Et effectivement, avec la preuve, parce qu'il y a eu des enseignants qui ont été vraiment tués et quelques autres aussi qui ont été blessés. Donc vraiment, à partir de là, la peur s'est installée presque dans tout le nord-ouest et même dans le côté ouest de Tlaberie, où les enseignants ont complètement quitter quitté ces zones-là, ils ont abandonné, ils sont revenus. Donc, c'est ce qui a fait que vraiment, nous, parents d'élèves, nous sommes inquiétés. Heureusement, quand nous avions rencontré les autorités, on a compris que eux-mêmes, ils étaient inquiets par cette situation. Et ensemble, on a tenu une rencontre, on a tenu une réunion, nous avions discuté ensemble pour voir dans la mesure du possible comment faire pour que ces enseignants-là, qui n'ont plus le courage de retourner dans leur école pour enseigner ces enfants, on s'est posé la question parce que ne veut pas que ces enfants-là ratent les cours. En février dernier, à l'issue euh, d'une visite effectuée par euh, le ministre de l'enseignement primaire, Daouda Mamadou Marté, il a été euh, question de regrouper des écoles dans des zones sûres, dans des zones sécurisées. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose selon vous en tant que parent d'élèves oui, effectivement, quand, euh, avant qu'ils ne viennent, il s'est trouvé que nos autorités qui sont à Tilaberi, avec euh, le gouverneur et tous ceux qui sont au-devant de l'éducation, nous sommes rencontrés pour voir dans la mesure du possible quelles sont les solutions très urgentes qu'on peut amener pour que les enseignants et les élèves puissent vraiment continuer à avoir euh, leur enseignement. Donc, ce qui a fait que dans les réflexions, il y a eu des propositions. Il y a eu jusqu'à, je pense, 12, 12 propositions qui ont été faites pour que si ces propositions-là sont vraiment appliquées, on pense que les enseignants et les élèves vont continuer les cours. Et quand le ministre était venu, il a rencontré vraiment tous les acteurs de l'école et le gouverneur lui a donné le document fini que nous, parents d'élèves et autorités, ont proposé qu'on pense que avec ça, les enseignants auront le courage. Et effectivement, quand le ministre Daoud Marté, quand il a parcouru le document, il était très content. Moukela Halidou, quelle est votre lecture au sujet de la situation des écoles fermées pour cause d'insécurité dans la région de Tilabiri oh, Merci, euh, Mokhtar. Je voudrais quand même euh, profiter pour euh, féliciter le studio Kalangou, en tout cas pour cette, ce forum qui nous permet aujourd'hui de discuter d'une question aussi importante que la question de l'école. Nous l'avons toujours dit, euh, aucune euh, nation ne peut se développer euh, sans un système adéquat, sans un système d'éducation de qualité. il faut quand même dire que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous intervenons par rapport à la situation sécuritaire de la région de Tilabiri. Il vous souviendra que nous avons connu ces genres de situation au niveau de DIFA où euh, en son temps, euh, toutes les écoles qui étaient sur la Komadougou ont été également fermées. Mais très rapidement, euh, il y a eu des propositions qui ont été faites et une solution a été trouvée pour quand même permettre à ce que les enfants nigériens puissent jurer de leur droit, n'est-ce pas, fondamental, est le droit d'aller à l'école. En ce qui concerne la région de, de euh, euh, c'est vrai que la situation secrétaire euh, sécuritaire s'est plus amplifiée entre fin 2019 et début 2020, ce qui, déjà à partir de la rentrée d'octobre, a permis au ministère officiellement de fermer 100 écoles dans toute la région, la région de Tillabéri Mais au fil du temps, au, au, vu des événements et de la situation, en tout cas, qui prenait beaucoup d'ampleur, nous nous sommes retrouvés en fin février en début février, à peu près à 343 écoles qui étaient, qui étaient fermées pour cause, pour cause d'insécurité. Du coup, euh, vous comprenez que euh, c'est beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école et c'est beaucoup euh, d'enseignants qui ne partaient plus aussi à l'école parce que la menace était réelle nous sommes sur le terrain, nous avons nos camarades qui sont, qui, étaient, qui sont sur le terrain, et vous avez quand même vu qu'il est arrivé un moment où les bandits armés, lorsqu'ils venaient dans les villages, s'en prenaient juste à deux personnes, ou le chef du village les enseignants qui se trouvent dans, dans les localités. Et même les menaces qu'ils amenaient lorsqu'ils passaient dans les villages pour dire on va aller revenir, c'est à l'endroit des, enseignants que ces menaces-là étaient, étaient proférées. Donc, si les écoles, ne, ne, sont, pas les écoles ne, sont, pas ne, sont pas, fermées. La preuve, je vais vous dire, lorsque, euh, euh, euh, après l'assassinat de notre camarade, toujours de la région d'Anzuru, il y a eu deux directeurs d'école qui ont été grèvement blessés, dont un a été même évacué sur Niamey. Lorsqu'il a commencé à parler, lorsque nous avons demandé comment est-ce que c'est arrivé, nous a juste dit que euh, euh, voilà comment les choses se sont passées. Ils étaient venus la nuit le réveiller avec euh, à trois sur la moto et lundi dit que ils vont partir, mais ils ne veulent plus le voir dans la localité parce que est-ce qu'il ne sait pas que enseigner le français est haram dans la religion. Donc vous voyez un peu là où les gens sont en train d'arriver et c'est en partant que a dit non, non, on ne doit même pas le laisser comme ça. Il a pris son arme et il l'a tiré et sur, sur les deux pieds. Bon, ça, c'est juste à titre d'exemple que je donne. C'est pour dire qu'en réalité, nous sommes au cœur et nous vivons véritablement cette, cette question d'insécurité et les enseignants ont payé les frais. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été traumatisés, des enseignants qui ont été menacés et les enseignants, à un moment, étaient obligés de se replier dans le chef-lieu de région, c'est-à-dire à Tilabiri. D'autres étaient même venus jusqu'à Niamey pour nous témoigner des situations ou des conditions dans lesquelles ils étaient en train de travailler. Puisque nous sommes en train de parler des écoles fermées, je dois vous dire que euh, jusqu'en fin février, nous avons euh, euh, encore 294 écoles qui n'ont pas encore pu réouvrir leurs portes, ce qui nous fait quoi qui nous donne à peu près 2000, 26 000, autant pour moi, 433 élèves qui sont en chômage qui ne vont plus à l'école. Et mais après la rencontre du, ministre Marté avec les responsables de la région de Tilabéry en, fin février, et, les propositions qui ont été faites de pouvoir regrouper certaines euh, écoles dans les euh, zones encore un peu plus euh, et des mesures qui ont été prises par la suite, parce qu'il faut reconnaître que par la suite, il y a eu des mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité dans beaucoup d'autres villages. Et nous avons eu, en tout cas à la date d'aujourd'hui, 49 écoles qui ont pu réouvrir leurs portes et les enfants continuent à aller à l'école. Exactement. Euh, Halidou, à l'issue de sa visite effectuée dans la région de Tel en février dernier, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé que le gouvernement est à pied d'œuvre pour la réouverture des écoles. La situation est-elle aujourd'hui favorable sur place C'est ce que je suis en train de dire. C'est que euh, euh, après sa visite où il a eu à rencontrer euh, les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation et les euh, autorités, euh, pas, administratives et coutumières d'ailleurs de la, de la région de Tilaberi. Euh, pendant, je crois, toute une journée, ils ont eu à discuter, à faire des propositions. Il avait promis qu'à son retour, il voit, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour pouvoir sécuriser. Effectivement, c'est ce que j'avais dit. Il y a eu un début, n'est-ce pas, de solution à cette question et c'est ça qui nous a amené à voir 49 écoles après son départ qui ont pu réouvrir du fait qu'effectivement, il y a eu une certaine accalmie dans, dans ces régions. Donc, euh, ça ne peut pas arriver euh, d'un coup. On ne peut pas dire que toutes les écoles peuvent réouvrir leurs portes parce qu'aujourd'hui, on doit le euh, comprendre ainsi que ce n'est toujours pas facile. Mais quand même, il y a eu un début de solution. 49 écoles réouvertes, mais il reste encore 300 et quelques écoles qui n'ont pas encore pu réouvrir leurs portes. Je peux vous donner un peu la situation par localité et peut-être après, et vous allez comprendre que c'est surtout la région ou la zone de Anzuru qui a beaucoup plus d'écoles fermées parce qu'à l'heure actuelle, ils ont 45 écoles qui n'ont pas pu rouvrir leurs portes. Donc, vous voyez un peu ce que, ça donne. Effectivement, les autres régions ont entre 14, 15, 20 écoles fermées. Mais je dis, à l'heure actuelle, la situation, elle est telle que euh, euh, nous souhaitons que beaucoup plus de regards puissent être portés dans, dans, ces, dans ces zones-là pour permettre à ceux que d'abord nous, nos camarades qui sont enseignants, qui sont sous tutelle de l'administration, puissent continuer à aller travailler dans des conditions sécurisées et également permettre à ceux que les enfants de ces villages-là ne puissent pas souffrir, n'est-ce pas, de cette question euh, d'insécurité en les empêchant d'aller à l'école. Puisque nous l'avons dit au ministère, que même dans les grandes nations, les nations où, euh, qui sont même en conflit, qui sont en guerre ouverte, puisque là nous, sommes juste, nous avons juste des bandits qui sont en train de sévir dans certaines euh, localités de notre pays, mais même les pays qui sont en guerre créent les conditions pour que les écoles ne puissent pas être fermées. Donc nous sommes dit que le gouvernement nigérien doit avoir un regard par rapport à cette question, sécuriser nos camarades, sécuriser les écoles, sécuriser les populations et permettre à ce que les enfants puissent aller à l'école. Enoussa Sanjouri, quels sont les obstacles ou euh, les difficultés que, rencontre la coalition des ONG, syndicats et associations dans la prise en charge ou l'assistance aux élèves et enseignants des zones d'insécurité de la région de Bon, les les, dispositions, elles sont difficiles hein, à prendre. Elles sont vraiment difficiles parce que quand il y a un problème d'insécurité qui se pose, il n'y a pas que l'école qui en souffre. Mais d'abord l'école, parce que l'école, c'est, disons que c'est le plancher du développement de tout pays. malheureusement, euh, on ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement par rapport à la situation et l'amener à prendre des dispositions pour permettre euh, aux élèves d'aller à l'école. Inoussa Sanjouri, en janvier dernier, plusieurs écoles ont été incendiées et un enseignant assassiné, euh, dont euh, SG Moukel Halidou faisait cas tout à l'heure, par des groupes armés, par des hommes armés dans la région de Tilaberi. Qu'est-ce qui explique cette chasse aux sorcières des groupes armés contre les enseignants Bon, vous savez, quand vous avez une euh, révolte de ce genre, c'est toujours des questions d'intérêt personnel qui sont mises en avant. Il est évident que euh, ces gens ont des intérêts personnels qu'ils visent, qui ne sont pas arrivés à atteindre. Donc, il faut faire euh, de la subversion. Il faut être très offensif pour amener le gouvernement, en tout cas, à avoir un regard vers eux et à trouver peut-être un, début de solution parce que dans, toute, dans, dans tous les cas, il est difficile séance tenante de trouver une solution définitive. Au niveau d'assaut e et PT, avez-vous pensé à des solutions alternatives Bon, les solutions alternatives, d'abord, c'est d'amener le gouvernement à vraiment s'occuper de la situation, prendre des dispositions, même s'il faut déplacer des gens, il faut le faire, mais éviter que les gens passent toute l'année sans rien faire. Nous, à San euh, il y a la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme euh, qui proclame que toute personne a droit à l'éducation, que l'enseignement élémentaire et l'enseignement fondamental doivent être gratuit et obligatoire. Quelles sont les actions à mettre à l'actif euh, de la coalition ASOEPT pour l'effectivité du droit à l'éducation au Niger Bon, il faut savoir que toute organisation digne de ce nom en tout cas, euh, doit toujours mener des plaidoyers pour amener euh, le gouvernement à prendre des dispositions pour que l'école marche. Parce que l'école, la santé, c'est ça le pilier d'un pays. C'est ça la base de tout développement. Donc, quand l'école ne marche pas, le pays ne marchera jamais. Donc, euh, notre travail, c'est d'amener le gouvernement à prendre des dispositions là où il y a, en tout cas, des problèmes de ce genre, des problèmes de guerre, des problèmes de sécurité, pour que l'école puisse continuer. Parce que si l'école s'arrête, disons que les conséquences seront énormes pour le pays. Vous êtes euh, l'un des partenaires du gouvernement. Est-ce que vous étiez une fois sur le terrain euh, de la région de Telabéry pour, pour constater de visu euh, la situation des, enseignants et des élèves Nous sommes tout le temps sur le terrain et nous avons des représentants directs qui sont sur le terrain, donc qui rendent compte au cas où nous n'avons pas pu effectuer le déplacement. Donc vraiment, en ce qui concerne l'information, on a du jour au jour. va écouter également Issa Jibo, le secrétaire général de l'association des parents d'élèves de la région de Tilaberi, toujours concernant cette situation des écoles dans, cette région en proie à l'insécurité. Quand il était venu à Tilaberi, quand il nous a rencontrés, moi, il m'a vraiment épaté parce que le jour-là, j'ai aimé son discours. J'ai aimé tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas lui jeter des fleurs, hein. Parce qu'avant moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Tout ce qu'il est en train de faire, je n'étais pas d'accord. Mais je t'assure, quand il était venu à Tilabérica, il disait que lui, aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Il ne peut pas envoyer les enseignants dans la boucherie. J'ai dit, là, c'est bien. Et dit, tant que les zones ne sont pas sécurisées, lui, il n'autorise aucun enseignant d'aller se fatiguer. Issa est-ce que cet engagement s'est matérialisé sur le terrain Effectivement, parce que les propositions qu'on a eu à faire, on a demandé d'abord qu'il y ait une tournée de sensibilisation dans toutes les zones où les enseignants ont abandonné. Il faut qu'on les sensibilise, qu'on arrive à vraiment sensibiliser tous les parents d'élèves, tous ceux qui ont quitté leur village. Parce qu'il y a des villages où l'insécurité n'a même pas atteint les villages-là. Mais seulement par panique, les villageois ont quitté parce qu'ils ont appris à tort à travers que les bandits vont les attaquer et ils ont abandonné. Donc, on s'est dit qu'il faut aller sensibiliser les parents d'élèves. Et pour les sensibiliser, il faut qu'ils voient, il qu'ils voient la sécurité avec eux pour qu'ils restent et pour qu'ils amènent les enfants à rester dans les écoles. Donc, on s'est dit, en première chose, il faut sensibiliser les parents d'élèves et les enseignants aussi qui ont quitté. Et on s'est dit encore, dans, ce je suis en train de prendre quelques, quelques propositions des 12 points qu'on a eu à proposer pour qu'il y ait vraiment eh, une bonne école en cette année 2020. Donc, on s'est dit, après la sensibilisation aussi, il faut, dans les zones d'insécurité, où les enseignants ont quitté et les parents d'élèves ont quitté avec leurs enfants, de voir dans la possible, avec les partenaires de l'école, comment regrouper les villages là où l'éloignement n'est pas vraiment très, euh, en tout cas très distant, qu'on arrive à mener, qu'on arrive à regrouper les élèves dans un village sécurisé où ils peuvent continuer et à suivre les cours. Donc nous avons réfléchi sur ça. On a dit, bon, maintenant, comme les techniciens sont là, de voir dans la mesure de possible les villages où il y a la sécurité, dont les villageois se sont déplacés, de voir comment les regrouper pour que ces, enfants-là puissent continuer à suivre les cours. On a dit encore de voir comment faire la gestion de l'information, parce que c'est ça le danger dans la région de Terre. Nous Hassan vous venez là euh, d'écouter euh, le secrétaire général de l'association des parents d'élèves de la région de Tilabéry. Quel commentaire euh, son intervention suscite en vous je pense qu'ils ont fait des efforts en matière de réflexion. Et quand il y a généralement des situations de ce genre, c'est d'essayer de parer, en tout cas, au plus grave. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les élèves et les enseignants ne soient pas en chômage. Faire, en tout cas, prendre des dispositions pour pouvoir faire un regroupement qui pourra en tout cas au moins leur permettre de récupérer une bonne partie de l'année. Est-ce que le regroupement des élèves et leurs enseignants euh, est facile sur le terrain il est évident qu'il n'y a pas de facilité. Dès que la situation est perturbée, il est évident que les, solutions ne sont pas faciles. Mais on essaie de faire, en tout cas, au mieux possible pour que pour qu'on n'aboutisse pas à une catastrophe quand on amène des élèves euh, d'un autre village, dans une autre localité, euh, euh, du point de vue psychologique, est-ce que ça peut aller Il est évident qu'il y aura des difficultés. Ils ne seront pas très à l'aise, mais à l'impossible, ni ne tenu. On ne peut faire les choses qu'en fonction de ce qu'on peut. Je pense qu'en les regroupant, on évite au moins de, de, faire en sorte qu'ils soient en chômage pendant un certain nombre de mois ou même pendant toute l'année. On essaie de récupérer le niveau pour qu'ils ne partent pas, c'est tout. Moukele Halidou, vous venez là d'écouter euh, le secrétaire général de l'association des parents d'élèves de la région de Tilabéri. Avez-vous une réaction particulière En fait, pas une réaction particulière. Il faut dire que euh, nous étions présents dans la salle de, réunion puisque nos représentants de Tilabéri étaient euh, du début jusqu'à la fin de la concertation, euh, euh, il y a eu beaucoup de propositions. Et dès qu'ils étaient finis, ils, nous ont, ils avaient fini autant pour moi, ils nous ont rappelé pour nous faire le compte-rendu de la rencontre qu'il y a eu avec, avec le, ministre de l'enseignement primaire. Peut-être que c'est là où il faut reprocher au ministre qu'en tant que partenaire, ce genre de situation doit quand même être accompagné par les partenaires sociaux que nous sommes, notamment les ONG, associations actives en, en éducation, les organisations, les principales organisations syndicales doivent quand même accompagner pour qu'on sente effectivement que tout le monde est engagé pour qu'il puisse pour le retour de la stabilité dans, ces localités là. Maintenant, euh, s'agissant des enseignants, euh, je dois vous dire que les enseignants ont beaucoup payé les frais. Euh, c'est vrai, ils ont dit il faut que euh, les enseignants puissent être sécurisés. Il y a eu le, ministre lui-même l'a reconnu puisque dans notre préavis que nous avons exécuté il y a de cela euh, quelques jours, ça fait partie des points de revendication. Créer les conditions de pouvoir sécuriser les enseignants sur les lieu de travail. Vous avez vu les enseignants qui ont été assassinés, et, qui ont été tués, les enseignants qui ont été attaqués et qui ont été blessés. C'est sur les lieux de leur travail puisque c'est dans le cadre de leur activité, en cas fondamentale, qu'ils ont, ils ont pris ces coups-là. Il y a des écoles qui ont été incendié, où aujourd'hui, cela ne facilite pas tout de suite à ce que les enseignants et les élèves puissent reprendre les cours, puisqu'il n'y a pas eu euh, de classe, en tout cas, fabriquées euh, euh, fabriquée pour permettre à ce que le fonctionnement puisse se poursuivre. Maintenant, l'autre question, la grosse difficulté à laquelle euh, euh, on est arrivé, c'est de pouvoir, euh, n'est-ce pas, faire venir les élèves des villages un plus ou moins en insécurité vers les villages plus sécurisés et leur permettre, et permettre de faire le regroupement afin que les élèves puissent continuer à, prendre, à prendre cours, y compris, y compris les enseignants. Malheureusement, j'ai dit, dans la région de Tilaberi, cela a été un petit souci parce que beaucoup de parents étaient, n'est-ce pas, n'étaient pas favorables à la, à la question n'était pas favorable à la, à la proposition. C'est une question de mentalité parce que quand vous prenez la région de Difa, lorsqu'il y avait cette question euh, de Boko Haram, lorsque ça prenait beaucoup d'ampleur, il y a des élèves qu'on a pris de Difa pour les amener à Zender qui ont effectivement passé l'année là-bas à Zender avec l'accompagnement des partenaires. Cela n'a pas causé beaucoup de problèmes puisque ce qui pouvait être un problème, c'est l'hébergement et la restauration et ça a été pris en charge par l'autre. Euh, par mais, mais pourquoi c'est pas possible Non, même par là, c'est parce que les parents n'ont pas accepté. Aujourd'hui, avec le ministère, nous, nous avons discuté avec le ministre de l'enseignement primaire, nous avons fait des propositions avant même sa rencontre à Tilaberi et nous avons dit est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas se retrouver dans la même position que ce que nous avons eu à faire à, à Zender, à Difa pour permettre à ce que, parce que nous, notre souci, D'abord, c'est vrai, il faut sécuriser euh, le territoire, de, tout, tout, tout, tout l'étendue territoire. Pas mais également, mais pour nous, aujourd'hui, la, priorité, c'est d'abord euh, euh, sécuriser les enseignants, sécuriser les élèves, afin que l'école ne puisse pas souffrir, afin que l'école ne puisse pas, en tout cas, être dans une petite parenthèse. Donc, c'était ça notre proposition. Et nous avons dit, entre autres propositions, est-ce qu'il ne serait pas possible de demander aux au, au, chefs de village de rencontrer les parents, n'est-ce pas Et c'est ça peut-être la sensibilisation dont le SG de l'APE de Tilabéry, de parler, sensibiliser les parents pour qu'ils acceptent qu'au moins les enfants puissent venir dans les villages encore un peu plus proches de Tilaberi, les villages plus sécurisés, afin que l'école puisse continuer à marcher. Mais comme je l'ai dit, s'ils avaient accepté, et bon, certainement que maintenant ça, peut, ça, commence à venir, ce qui est sûr, il y a toujours des partenaires qui sont prêts à accompagner dans ce genre de choses. Même nos camarades qui ont été blessés, pour une partie, ils ont été pris en charge par euh, euh, des institutions internationales qui ont pris en charge les frais euh, médicaux et tout, tout, tout. À plus forte raison, lorsque c'est des enfants à qui il faut créer les conditions d'accomplir de, le droit c'est-à-dire le droit d'aller à l'école. Il y aura toujours des partenaires qui vont, qui vont, qui vont accompagner, mais il faut quand même que euh, les parents, n'est-ce pas, les populations de Tilabéry comprennent que c'est dans le bonheur des enfants, c'est dans le bonheur, le temps d'avoir une solution définitive à la question, c'est juste une solution intermédiaire, le temps de pouvoir gérer la crise, parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, avec euh, euh, les nouvelles réformes, la nouvelle situation, l'armée nigérienne est en train de quand même prendre sa place sur le terrain et beaucoup de villages sont en train d'être sécurisés. Partout où c'est possible de se Crisé, les écoles vont réouvrir les portes. Mais comme il l'a dit lui-même, nous-mêmes, nous n'allons pas accepter nous avons dit à nos camarades. Euh, Halidou, quand il y a des actions contre des populations civiles, contre l'armée, est-ce qu'il n'y euh, aura pas un problème psychologique au niveau des enseignants et même des élèves Mais bien sûr, bien sûr qu'il y a cette question, cette psychose. Et c'est pour ça que j'avais dit, il y a des, zones où avant même que les bandits n'arrivent, avant même que l'insécurité ne prenne forme, les enseignants étaient obligés de se, de se replier. Parce qu'il y avait cette psychose. Chaque jour, vous avez des messages qui vous arrive. il y a même la prise en charge psychologique des enseignants et des élèves. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des messages qui arrivent qui disent Eh bien voilà, tout de suite, demain, si on vous trouve cette nuit, on va attaquer. Donc, il y a cette question, il y a cette psychose. Et c'est effectivement pour la prise en charge de cette psychose que le ministère a demandé à la direction régionale de Tilaberi de demander aux enseignants qu'ils ne se sentent plus en sécurité de se replier. Parce qu'il faut aussi créer les conditions pour que les enseignants ne puissent pas abandonner. Il y a des enseignants qui nous appellent pour nous dire que si ça continue, ils risqueront d'abandonner. Donc pour, nous aujourd'hui, il n'est pas question que pour juste des bandits armés, que les enseignants ne puissent plus continuer à travailler, que l'école puisse continuer à souffrir, que les enfants ne puissent plus aller à l'école, que les populations continuent toujours à être dans cette situation, n'est-ce pas, où, moralement, physiquement, ils sont abattus parce que vous allez vous dire que chaque jour que Dieu fait, on va venir vous envoyer Et la preuve, vous avez vu malheureusement ce qui arrive des chefs de village ont été contraints de quitter leur, propre territoire, leur village. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment à, récemment à Dingazibanda, où, on vient en plein jour, en plein jour de marché, on vient, on tue des gens juste pour prendre des véhicules, pour, juste pour prendre de l'argent. Malheureusement, je pense qu'il faut que nous autres populations, que nous contribuions avec euh, euh, euh, l'AFDS pour que la sécurité puisse revenir dans notre pays. Comme nous l'avons dit, tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'éducation. Tant qu'on ne parle pas d'éducation, il n'y aura pas de développement. Donc, notre priorité aujourd'hui en tant qu'organisation syndicale, et c'est ce que nous sommes en train de faire quand vous allez regarder toutes nos déclarations, vous allez regarder nos préavis de grève, vous allez prendre même les correspondances qu'on envoie. Chaque fois, on attire l'attention bien avant aujourd'hui. Malheureusement, c'est peut-être aussi un des défauts du gouvernement. Lorsque, avant que l'insécurité ne prenne forme, ne s'installe définitivement dans la région de Telabéry, avec les informations que nous recevions de nos camarades de l'intérieur, c'est-à-dire surtout de la région de Torodi et de Makolondi, où on venait, on brûlait les écoles, on vient, on, brûle les documents, on vient, on chasse les enseignants. Nous avons dit, attention, voilà ce qui est en train de nous guetter. Voilà ce qui est en train de nous guetter. Prenez les dispositions nécessaires. Malheureusement, comme euh, quand c'est un syndicat qui parle, on ne prend toujours pas ça au sérieux. On pense que non, non, c'est juste de la diversion que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, voilà là, où ça nous a amené plus de, comme je l'ai dit, 343 écoles fermées, c'est quand même pour une seule région, c'est quand même inexplicable et quand même, euh, euh, je me dis que ce n'est pas euh, bien pour un pays comme le Niger. Alors, où nous déjà cette question euh, d'alphabétisation, oui. Comment rattraper tous ces retards Mais ce qu'il faut rattraper, d'abord, il faut dire qu'à l'heure actuelle, euh, c'est vrai qu'il y a des efforts, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut, pour rattraper, il faut définitivement mettre fin à la question d'insécurité dans le pays. Il faut que les FDS, appuyés par le gouvernement avec des moyens conséquents, pas des moyens qui vont être volés. Je parle des moyens conséquents. Il faut qu'on leur donne les moyens nécessaires pour pouvoir faire leur mission comme ça se doit. Nous sommes confiants. Nous savons quand même que notre armée a eu à gérer plusieurs rébellions. On ne parle pas de bandits armés. On parle de, de, troupes organisées eh bien, nous étions arrivés à, à, bout de, de, ces organisations, n'est-ce pas, connues deux fois dans notre pays entre 1990 et, 2007. Mais je me dis qu'aujourd'hui, si cette même armée a les moyens, n'est-ce pas, nécessaires, ce n'est pas des petits bandits qu'on ne peut pas quand même, en tout cas, euh, sur et pouvoir ramener la quiétude et la stabilité dans notre pays. Donc pour nous, la première démarche, il faut quand même qu'on les conditions pour le retour, n'est-ce pas, à, la sécurité. Lorsqu'on a la sécurité, en ce moment, nous allons venir et nous allons faire le travail pour voir qu'est-ce qui a été fait dans le secteur de l'éducation en termes de contenu, qu'est-ce qui n'a pas été fait et faire des propositions pour pouvoir rattraper afin que les enfants ne puissent pas aussi perdre des années inutilement à cause de cette question Secrétaire. nous, Inoussa cette région frontalière avec le Mali et le Burkina Faso est depuis 2017 en proie à des attaques récurrentes attribuées à des groupes terroristes sévissant dans la, dans la région du Sahel. L'État du Niger a-t-il aujourd'hui les moyens de prendre en charge ces enfants des zones d'insécurité Bon, les moyens de prendre en charge totalement, c'est, il est évident que ce n'est, jamais facile. Mais en tout cas, l'État doit tout faire pour que au moins ces, ces, enfants ne soient pas trop en retard. Parce que ce qu'on veut, c'est de pouvoir récupérer au moins l'année. Et je pense que même si on n'arrive pas à faire, en tout cas, toute la période de scolarisation, et vous avez vu, en cas de grève et autres, on perd des mois souvent, mais on arrive quand même, en tout cas après une entente, à colmater et à récupérer le maximum, ce qui pourra permettre en tout cas aux enfants d'avoir au moins euh, un certain niveau qui leur permettra d'avancer. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Évitons que les enfants passent toute l'année sans rien faire. Parce que là, euh, c'est un retard qui est difficile à récupérer. Donc moi, je pense que l'État doit suivre cette affaire de très près. De très près parce que ce n'est pas tout le Niger qui est dans cette situation. Donc, l'État doit pouvoir se, faire, se donner les moyens de pouvoir, en tout cas, circonscrire cette situation de manière à permettre, en tout cas, aux enseignants et aux élèves d'être à l'école. Et vu l'état psychologique euh, des enfants et leurs enseignants, est-ce qu'on peut être rattrapé ce retard Bon, l'état psychologique, c'est d'abord d'éloigner la, psychose. Je pense qu'une fois que des dispositions sont prises pour en tout cas éviter la psychose, le reste peut rentrer dans l'ordre sans beaucoup de difficultés. Il est évident que quand il y a des situations de ce genre, c'est toujours un trou qu'on a. Donc un trou n'est jamais facile à fermer. Mais en tout cas, on peut faire en sorte eh, qu'on ne sente pas trop les conséquences. Inoussa est-ce que ASOEPT est impliqué dans tout le processus euh, de la recherche des solutions alternatives face à la fermeture des écoles euh, et, la situation actuelle de l'insécurité dans la région de Tilaberi Bon, vous savez, l'État généralement ne consulte pas beaucoup ces genres dorganisation là C'est nous qui allons vers lui, c'est nous qui faisons des Mais propositions. Est-ce que vous le faites Non, le fait, nous sommes obligés de le faire parce que c'est notre rôle, nous sommes dans nos rôles. Mais malheureusement, ce n'est pas dans tous les cas qu'on réussit à 100%. Mais euh, cela ne nous empêche pas toujours d'essayer d'aller à lui de l'avant. Moukela Halidou, avez-vous aujourd'hui le nombre des enseignants victimes euh, d'exactions de ces groupes armés Bon, nombre, exactement combien de personnes sont touchées, euh, je ne saurais le dire, puisque euh, vous savez, lorsque ce n'est pas des situations euh, très compliquées, pas que nous ne nous intéressons pas à ça, mais je dis, nous, intervenons, nous intervenons peu. Mais euh, euh, nous prenons plus en charge ceux qui étaient euh, dans des situations extrêmement difficiles. Et Dieu merci, aujourd'hui, tous ceux qui étaient blessés, en tout cas par balle, sont en train de reprendre un peu petit à petit leur force parce que, je le disais, il y a d'autres qui ont pratiquement sur les deux pieds des balles où ils ont reçu des interventions. Et vous savez que même la rééducation, ça, ça va prendre du temps. On n'a pas un nombre exact pour vous dire voilà exactement le nombre de personnes qui ont été affectées parce que d'autres n'ont pas pu être touchés Mais lorsqu'on vient chez vous, on, brûle euh, votre maison, on brûle euh, l'école, on brûle les documents, on pense quand même que psychologiquement, la personne là est, est aussi atteinte. Donc, vous prenez en compte la dimension du nombre d'écoles qui sont fermées. Et dites-vous que tous ces enseignants-là, aujourd'hui, euh, moralement, sont abattus. Ils sont atteints par cette question d'insécurité parce que lorsque vous n'êtes plus en mesure de pouvoir faire votre travail, c'est extrêmement compliqué pour vous. sur les 343 écoles fermées, il y a eu juste, je vous avais dit tout à l'heure, 49 écoles qui ont été réouvertes, dont 160 euh, enseignants qui ont pu reprendre euh, normalement euh, euh, les cours après, après février. Donc vous comprenez que tous les restes là aujourd'hui sont dans cette situation de dire à quand est-ce que nous allons reprendre, comment est-ce que nous allons reprendre. Et surtout lorsqu'il n'y a pas de forces en présence, n'est-ce pas, dans ces villages, il serait difficile pour eux de dire on peut retourner dans les mêmes écoles parce que je vous prends un exemple à Toro, la dernière fois, non, Makolondi, lorsque les bandits étaient arrivés, lorsqu'il y a eu l'attaque du poste, les bandits, après, se sont redirigés directement vers l'école. Et l'enseignant était obligé, tellement que, bon, c'est ça aussi la force d'un enseignant, il a trouvé la technique de sortir avec les élèves et d'aller se cacher dans un trou il y a eu un trou dans lequel ils étaient partis avec ses élèves se cacher et les enseignants étaient venus, euh, les bandits étaient venus. Ils ont mis le feu à l'école. Heureusement, ils n'ont pas pu les voir. Donc, c'est après le retour qu'il a dit Bon, enfants, il faut vraiment retourner chez vous. Et moi, je retourne, je viens m'asseoir, en, tout cas, au chef-lieu de région, c'est-à-dire au niveau du, département euh, de, de Torodi. Donc, c'est à peu près ce genre de situation que nous sommes en train de gérer au jour le jour. Pour dire qu'en réalité, euh, euh, euh, véritablement, il faut qu'il y ait une prise en charge, n'est-ce pas, complète et efficace par rapport à la question sécuritaire dans ces, régions-là, parce que ça freine, ça freine beaucoup le développement dans tous les cas de ces régions-là, mais également ça freine aussi nos activités quotidiennes. Mais l'autre aspect qu'il faille aussi régler, c'est que euh, on empêche aux populations d'utiliser les motos parce que ça fait partie aussi des problèmes que nous avons aujourd'hui. Les enseignants n'arrivent plus à se déplacer avec leurs motos à cause, n'est-ce pas, de la mesure d'interdiction de, de, de, les, mesures d'urgence. Les mesures prises, n'est-ce pas, pour empêcher à ce que les motos circulent. Mais malheureusement, c'est que c'est sur des motos qu'on vient attaquer nos camarades. Et si elles n'ont pas de moto pour fuir, voyez-vous que c'est ça qui fait la difficulté de tout le temps. Toutes les attaques qu'il y a eu étaient des attaques presque en tout cas presque toutes les attaques étaient des attaques qu'il y a eu où les bandits étaient arrivés sur des motos et pas une ou deux motos, c'est sur plusieurs motos. Donc nous pensons quand même que cette question aussi mérite d'être réglée parce que ça crée aussi des problèmes pour nous. On empêche aux enseignants d'utiliser leurs motos. D'abord, même le déplacement pour faire les cours, c'est compliqué, mais mieux lorsqu'il y a une menace qui arrive, ils n'ont plus de possibilité de, de, se Est-ce qu'il y a des consignes à donner à ces enseignants non, la consigne, c'est que, euh, tel que nous l'avons dit au ministère, et tel que le ministre lui-même l'a dit à Tilaberi, lorsque les enseignants sont dans la position, n'est-ce pas, euh, euh, d'insécurité, lorsqu'ils sentent qu'ils sont menacés, ils n'ont qu'à écrire et replier. Là, ce sont les consignes, les, parce qu'il faut juste aviser la hiérarchie pour dire voilà la menace que nous avons et il faut vous réplier Parce que, comme on l'a dit, on ne peut pas quand même les envoyer et les faire assassiner inutilement euh, du fait qu'effectivement, il y a cette dimension qui n'a pas, ou ce, ce contrôle qui n'a pas pu être mené. Donc, pour nous, aujourd'hui, lorsque les enseignants sont dans l'incapacité de continuer à cause de la question ce que nous avons demandé, il faut réplier, mais il faut tenir informé pour qu'on ne dise pas que vous êtes en abandon de poste. Il faut juste informer parce que dans tous les cas aujourd'hui, partout où il y a des, l'insécurité est grandissante, les autorités sont informées. Donc lorsque vous donnez une information, c'est facile de vérifier et bien de dire. Et même l'administration aujourd'hui ne peut pas vous empêcher de vous replier par rapport à des menaces. Comme je l'ai dit, c'est qu'il faut comprendre. Est-ce que ces consignes-là sont données par euh, le syndicat ou bien c'est le gouvernement qui donne Non, non, le gouvernement n'a pas officiellement, on ne peut pas donner ce genre de consignes, mais j'ai dit, nous, c'est ce que nous avons demandé à nos c'est quoi Qu'est-ce qu'il est Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand vous prenez euh, euh, un village, lorsque les bandits arrivent, les populations là, ce n'est pas leur problème. Hein. Ils s'en prennent juste au chef de village ou à l'enseignant. Donc, les chefs de village, pour la plupart, vous avez vu, dans les discussions même officielles, on a dit que beaucoup de chefs de village étaient obligés de quitter. Ils avaient quitté. Donc, c'est les enseignants qui sont sur le terrain. Donc, s'ils viennent, ils s'en prennent aux enseignants. Au lieu de tuer les enseignants, euh, euh, non, c'est par animosité, il faut le dire. Parce que ça ne s'explique pas que vous ne voulez pas de l'école publique parce qu'on parle le français ou on, enseigne le français, alors que vous utilisez les résultats n'est-ce pas, de cette éducation. Les armes qu'ils utilisent, ce ne sont pas eux qui les ont fabriquées. Les motos, qu'ils utilisent, ils ne les ont pas fabriquées. Il a fallu que des gens aillent à l'école, des gens fassent des recherches pour pouvoir arriver à tout ça là. Donc vous ne pouvez pas vouloir une chose et son, son contraire. C'est pour ça que je dis cette question d'insécurité la réalité, il ne faut pas qu'on dise que est-ce qu'ils ont même un objectif, euh, euh, euh, oh, un objectif à atteindre par rapport à cette question. Ils n'en ont pas. C'est juste des bandits, il faut les traiter comme des bandits. Et je crois que le gouvernement doit créer les conditions et prendre toutes les mesures de pouvoir mettre fin à ce banditisme là qui sévit qui prend forme dans la région de Tilaberi. Inus Hassan Djouri, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions euh, pour euh, la prise en charge et une meilleure protection de tous les élèves et enseignants des zones d'insécurité de la région de d'Itilabéry Merci. La première chose, l'État doit écouter. Parce que si l'État n'écoute pas, il est évident qu'il va passer à côté. Il faut que l'État écoute tous ceux qui, en tout cas, qui ont une idée ou en tout cas qui savent réellement ce qui se passe. C'est en regroupant toutes ces informations qu'on peut tendre vers une solution définitive. Donc il est évident que c'est une situation euh, qui sort de l'ordinaire. Quand elle arrive, euh, ça va toujours faire des séquelles. Quelles que soient les dispositions qu'on va prendre, il y aura des séquelles. Mais éviter le pire. Euh, c'est ça qu'il faut se donner comme objectif. Parce que euh, c'est des situations qui tombent souvent. On n'est pas avisé. On ne sait pas que ça doit venir. Ça vous tombe dessus. Il faut gérer. Et dans cette gestion-là, faire en sorte, en tout cas, qu'on sauve le maximum. Vous, euh, en tant que partenaire du gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner l'État Bon, pour accompagner l'État, disons, nous nous attirons l'attention de l'État par rapport aux dispositions à prendre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des représentants presque partout. Donc nous suivons directement ces situations-là. Et quand on a l'information, nous les analysons à, notre niveau et nous faisons des propositions à l'État. Moukel Halidou, comment rectifier le tir rapidement non, Comment rectifier euh, je pense qu'il faut euh, d'abord une large concertation entre les partenaires, euh, sociaux, puisque la question sécuritaire, d'abord, c'est une question nationale, tout comme la question de l'éducation, c'est une question nationale. Aujourd'hui, on ne peut pas, le gouvernement à lui seul, ou le ministère de l'enseignement primaire à lui seul, ne peut pas vouloir, en tout cas, ne peut pas gérer à seul cette question. Et c'est pour cela que je pense que est tant que urgemment qu'on puisse se retrouver dans un cadre euh, de concertation avec les partenaires sociaux pour voir d'abord les propositions qu'il y a eu à Tilaberi et maintenant nous donner les moyens de leur mise en œuvre. Puisque qui, les propositions, ceux qui vivent la situation, ont fait des propositions, on fait des propositions de sortie de crise. Nous, en tant que partenaires, ce qu'on peut faire, c'est de créer les conditions pour l'effectivité de ces propositions-là. Moi, je pense que c'est à ce niveau seulement qu'on peut euh, euh, trouver les solutions le plus vite que possible. Mais si chacun reste dans de son côté et, des informations et essaye, n'est-ce pas, à, son niveau. vous voulez dire que vous n'êtes pas concerté Non, officiellement, nous ne sommes pas concertés par rapport. C'est vrai que c'est une question d'État, mais je dis aujourd'hui, par rapport à la recherche de solutions, l'État aussi a besoin des partenaires de, à son côté. L'État à lui seul ne peut pas s'autosuffire. Il va falloir qu'on crée les conditions pour que nous tous, puisque l'État là, ne se résume pas seulement au gouvernement, nous faisons aussi, nous faisons aussi partie de l'État. C'est ensemble que nous devrons chercher la solution. C'est ensemble que nous devrons aller vers la solution. Aujourd'hui, même les, sensibilisations dont on parle, nous sommes plus proches de la population que le gouvernement. Il n'y a pas un village dans lequel vous allez partir où il n'y a pas un enseignant. Qui mieux que celui qui vit avec les populations est à mesure de pouvoir les sensibiliser Quelqu'un va venir, le va parler, il va repartir, mais est-ce que véritablement ils vont prendre en compte ce qu'il a dit Mais lorsque l'enseignant qui est sur le terrain, lorsque les partenaires qui sont sur le terrain arrivent à discuter avec les, populations, arrivent à faire des propositions aux, aux populations, et ils reçoivent également des propositions de ces populations-là, c'est ensemble que nous pouvons gérer cette situation-là. Donc moi je me dis que la question question critères, ce n'est pas une question d'un individu, ce n'est pas une question d'une ou deux personnes, c'est une question nationale. Eh bien, tous ceux qui peuvent apporter leur concours à ce qu'on puisse trouver la solution, on pense quand même qu'il faut les associer pour aller vers la recherche de solutions. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, il ne doit expliquer que des écoles puissent rester fermées pendant un bon moment à cause juste parce que des bandits sont en train de sévir dans ces localités-là. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on mette fin à cette situation. En dehors de l'insécurité qui a complètement paralysé la bonne exécution du programme scolaire dans plusieurs établissements euh, dans la région de Tilaberi, la forte croissance démographique est également un facteur déterminant pouvant ralentir ainsi statistiquement la croissance du taux de scolarisation. C'est pourquoi l'État est appelé à mieux s'investir pour faire euh, du droit à l'éducation une réalité au Niger. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Moukaila Halidou, secrétaire général du syndicat national des agents euh, contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base Sinaseba et Inoussa Hassan Gyori, euh, membre de la coalition des ONG, syndicats et associations pour une éducation de qualité pour tous à SOEPT. Nous avons également invité le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. La régie et euh, son est assurée par Isaka Saini. Côté vidéo, Mustafa Ayuba. Merci, au revoir.